le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum Dissidio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme Dissidio Kalangou qui sont diffusés en direct par 41 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Dissidio Kalangou, notre site internet www.dissidiokalangou.org. Aujourd'hui, le forum Dissidio Kalangou a pour thème Esclavage moderne, cas des enfants travaillant dans les mines artisanales et les carrières au Niger, état des lieux, causes et conséquences. La plupart des enfants qui travaillent dans le secteur des mines artisanales, carrières et industries extractives sont soit des aides familiaux, soit des travailleurs indépendants ou des salariés, selon les résultats de l'enquête de base réalisée par l'Institut national de la statistique, l'INS, sur les sites de Komabangou et Mbanga, région de Tilaberi en octobre 2008, on constate que dans l'ensemble, le lavage des cailloux est l'activité la plus pratiquée par les enfants. Sur les deux sites, 33,1% des enfants enquêtés pratiquent euh, cette activité. Le creusage des puits vient en seconde position et occupe 21,3% des enfants. Ensuite viennent le transport d'eau 15,6% et le tamisage avec 11,1%. Les enfants s'adonnent aussi au concassage des pierres dans les carrières de à d'Elmeki. Ils sont utilisés dans les zones d'exploitation de et de calcaire à Kaita et Kaou, région de Tawa. On retrouve également des enfants autour euh, des restauratrices installées sur les sites d'exploitation et au niveau des industries extractives. Exemple euh, des petites carrières de gypse de Madawa et de Malbaza, de Natron, de Boboy, d'Uki et Gaïa. L'exploitation du kaolin dans les carrières de Miria, région de Zander, pour euh, des fins de poterie attire aussi des enfants qui travaillent de longues heures durant. Avec nos nous allons faire un état de lieu sur le travail des enfants dans les mines artisanales et les carrières, les causes et les conséquences de ce travail. Nous avons donc le plaisir de recevoir Maître Hamani Assouman du collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie Code. Maître Hamani Assouman, bonsoir. Bonsoir. Maître Marou Moussa, avocat à la Cour, chargé du droit et plaidoirie de l'Association de défense et de protection des femmes et des enfants, ADEP F Espoir, Maître Marou Moussa. Bonsoir. Bonsoir. Au téléphone, nous avons Abdou Damalam, il est sociologue. Abdou Damalam, bonsoir depuis Maradi. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Maître Hamani Asuman, comment votre structure, le code, aborde-t-elle les questions relatives au travail des enfants en général et ceux travaillant dans les mines artisanales et les carrières en particulier Merci M. Euh, Mokhtar. Permettez-moi avant d'entrer dans le vif du sujet de remercier sincèrement le studio Kalangu pour, le, pour en tout cas l'opportunité que vous nous offrez, en tout cas de mettre de la voix par rapport aux grandes thématiques qui concernent en tout cas les droits de l'homme et euh, la vie de la nation de façon générale. Concernant cette thématique euh, du jour qui concerne la la problématique des, travail, du travail des choses, quoi, mineurs, dans, particulièrement dans les mines. Moi, je suis d'abord le vice-coordinateur du Code en tant que collectif des organisations de défense des droits de l'homme qui regroupe 44 structures de défense des droits de l'homme, toutes euh, thématiques, toutes catégories confondues, les droits des migrants, les droits du. Donc, nous avons d'autres structures qui s'intéressent à la thématique, spécialement les droits des enfants. Et qui dit droits des enfants aujourd'hui, aujourd'hui, c'est un problème majeur de société. Aujourd'hui, les statistiques révèlent que dans le monde, un enfant sur cinq, en tout cas, est concerné et astreint à ce travail de choses à ce travail de mine, d'odorpéage, de, travail de mine de, dans, les, sites agricoles, de formes variées. Quoi. Donc aujourd'hui, c'est un enfant sur cinq est concerné par ça. Donc c'est pour dire l'ampleur du phénomène et ça ne doit pas, on ne doit pas, en tant que défenseur des droits de l'homme, on ne doit pas rester inactif par rapport à cette thématique. C'est vrai, l'État du Niger a ratifié un certain nombre de conventions en la matière, que ce soit la Convention des droits des enfants, que ce soit un peu la, Convention 1982 de l'OIT et bien d'autres, et même la, la Convention 138 c'est l'âge minimum pour que l'enfant puisse avoir accès au travail nous constatons aujourd'hui avec amertume qu'il y a vraiment de façon. Ça devient un, phénomène de société aujourd'hui. Un enfant sur cinq, comme je le disais, est concerné. Malheureusement, notre, nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, nous, nous, intéressons à la question, mais nous, nous, sommes butés par un phénomène, nous sommes butés par un problème. L'obstacle d'État, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de, de statistique réelle, il n'y a pas d'étude, il n'y a pas de statistique substantielle pour dire voilà l'ampleur du phénomène au Niger. Si ce n'est des cas isolés, c'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure, à juste titre, l'INS a fait une étude qui date de 2008 et ça a révélé ce que ça a révélé. Mais bien, depuis lors, les données ont changé, les choses évoluent. Bref, nous, nous faisons avec, nous faisons avec les moyens de bord. Le code s'intéresse à la thématique. Nous avons d'autres structures, plusieurs structures qui s'intéressent à la question. Et chaque fois qu'il y a des besoins, que ce soit la journée, la journée internationale ou nationale des droits de l'enfant, que ce soit toutes les fois que les occasions s'offrent à nous, nous faisons des thématiques, nous sensibilisons les gens, nous mettons l'accent sur les pires formes de travail, telles que ça a été prescrit par les conventions internationales. Les pires formes de travail aujourd'hui, c'est quoi L'enfant n'a pas sa place, n'a pas sa place euh, sur les sites de n'a pas sa place euh, dans les, sites, agricoles. L'enfant a sa, place au, niveau des choses, au niveau de l'école. L'enfant doit être scolarisé jusqu'à un certain âge. Donc nous constatons avec amertume, comme je le premier répéter, que nous constatons avec amertume qu'aujourd'hui les enfants sont. Maître Hamani Assouman, quelles sont les causes du travail des enfants dans ces mines artisanales et les carrières Bon, les, causes, elles sont, elles multiples et variées. C'est vrai, aujourd'hui, euh, nous sommes, en tant que pays, le Niger en tant que pays pauvre, nous constatons que le phénomène s'apprend de l'ampleur des incidents, les pays qui sont considérés comme pauvres dans les nôtres qui n'échappent pas à cette règle-là. Aujourd'hui, nous constatons que la première cause, si on peut le dire, je, puis le dire, c'est la pauvreté. Aujourd'hui, c'est la pauvreté qui fait qu'aujourd'hui, les enfants s'adonnent. Au lieu d'aller à, l'école, les parents sont, les enfants naissent dans, une, dans un environnement qui n'est pas propice, euh, favorable à, leur épanouissement, à leur éducation. Nous constatons que malheureusement, au lieu qu'ils soient à l'école, comme je le disais tantôt, les enfants, on les voit sur certaines mines, on les voit dans certains. Ça dépend de la région. Aujourd'hui, si vous prenez la, pour la thématique qui nous concerne directement, les sites de Koumabangou et autres, nous constatons aujourd'hui, quand on va là-bas, c'est avec amertume. On ne peut pas voir des enfants de choses qui s'adonnent à le concassage des choses, quoi, des pierres, concassage. Le travail pénible. Le travail pénible. Et, euh, pire, ce que nous constatons aujourd'hui, un phénomène qu'on appelle le mercure. je ne suis pas spécialiste, mais mhm. on met ça dans les choses. C'est une substance très, très euh, corrosive qu'on met dans le truc, quoi, qu'on associe à la chose, quoi, au traitement pour pouvoir des, des, produits, chimiques, des produits chimiques. Donc, nous constatons que les enfants sont exposés. Vraiment, et c'est ça, c'est à faire partie des pires formes ça a été érigé en pire forme de travail, quoi, euh, pire forme de travail euh, de, des enfants, euh, conformément à l'article 5 ou à la convention 182 de l'OIT. Et nous constatons qu'est-ce que l'État fait à l'interne. Nous allons revenir sur les solutions, mais pour revenir aux causes, pour, ne pas pour, poser la parole. est-ce que cela n'est pas dû au fait de l'analphabétisme ou l'ignorance des parents mais Bien sûr, c'est entre autres causes. J'allais, j'allais ajouter cela. Aujourd'hui, on constate que les parents, sont, les parents effectivement, c'est un, environnement propice, je veux dire. Non seulement les enfants ne sont pas éduqués, les parents sont analphabètes, les parents pensent qu'aujourd'hui, la main-d'œuvre, la main-d'œuvre locale, c'est le nombre d'enfants. Il faut avoir le nombre d'enfants pour pouvoir, le maximum d'enfants pour pouvoir, pour pouvoir avoir une main-d'œuvre euh, en quantité et les parents pensent qu'aujourd'hui, donc il faut travailler à déconstruire cette idée-là, cette idée qu'on pense comme quoi c'est le nombre d'enfants qu'il faut pour avoir une meilleure d'œuvre abondante. L'enfant est considéré comme une voilà. Donc, donc aujourd'hui, c'est vraiment les causes profondes. Les causes profondes, c'est vraiment, on pense que, et c'est culturel, hein. on pense que quelque part, euh, quand on, quand on tire dans nos tiroirs, quand on puisse dans les tiroirs, on pense que quand l'enfant, quand euh, un père de famille a beaucoup d'enfants, c'est une source abondante de meilleure d'œuvre. Et aujourd'hui, on continue à faire, à, avoir cette idée-là dans la tête. Il faut que travailler à, à déconstruire cette idée comme quoi l'enfant doit être à l'école. Si on a un seul enfant, deux ou trois qui sont bien éduqués, qui sont bien formés, aujourd'hui, ils peuvent, ah, ils peuvent vraiment, c'est l'éducation qui, ah, qui, mène le monde aujourd'hui, si on peut le dire. L'enfant n'a pas sa place ah, de l'autre côté, comme je le disais, de les mines et autres. Les causes sont profondes, sont culturelles, les causes sont liées à la pauvreté et mieux. Aujourd'hui, les causes sont accentuées par le phénomène d'insécurité que nous vivons. L'Afrique est le continent qui, en tout cas, qui est confronté aux crises multiples et multiformes. Aujourd'hui, vous n'êtes pas censé le savoir, vous êtes, un homme de médias, vous le savez mieux que moi. Aujourd'hui, le, le, Niger ou la, la, la bande sahélo-saharienne vit une sorte d'insécurité ambiante. Donc cette, elle n'est pas pour favoriser, elle n'est pas pour, elle est là pour accentuer, je vais dire cette crise, ces crises multiples et multiformes là, accentuer davantage. Vraiment la, en tout cas la question des choses quoi, du travail des enfants et que, que ça soit les enfants n'est pas l'enfant n'est pas en sécurité, ça accentue un peu, je vais dire les, crises multiformes accentuent un peu la, la, sécurité juridique juridique en tout cas et, euh, de, l'enfant quoi, je vais dire. Maître Hamani Assoumano, vous l'avez rappelé, le Niger a signé et ratifié plusieurs instruments juridiques internationaux et régionaux relatifs aux droits de l'enfant. Comment expliquer la persistance du phénomène sur le terrain Est-ce que c'est dû au fait du manque de sanctions Mais bien, sûr, bien sûr. Je le disais tantôt dans mes propos liminaires, l'État de Niger a ratifié euh, l'ensemble des conventions, les principales conventions. L'État ne fait pas du suivi. Voilà, le, problème c'est que l'article premier de la convention, là, c'est la, convention des droits de l'enfant, la CDE comme on le dit, et ces protocoles facultatifs, il y en a deux. y le premier c'est qui concerne la prostitution, la, des enfants et autres, et la pornographie. Le deuxième qui c'est avec l'évolution. Ces deux protocoles viennent ajouter viennent s'ajouter, viennent compléter la CDE. Et le deuxième protocole facultatif dit que c'est les enfants soldats. C'est interdit aussi, dans en tout cas, sur les relations internationales. Maintenant, qu'est-ce qu'on on, on constate que malgré la, ratification par l'État de ces différentes conventions, je rappelle au passage que, la CDE a été ratifiée par l'ensemble des États, de la, 192 États de la communauté internationale. Mais dans la pratique, le tout premier article de la ZS Convention dit que l'État doit prendre des mesures urgentes et immédiates pour internaliser les mesures, puisque l'État s'est euh, engagé au plan international de façon souveraine. Maintenant, on dit que l'État doit prendre des mesures. le tout premier article de cette convention dit que l'État doit prendre des mesures à l'interne, que ce soit des mesures législatives, des mesures programmatives, des mesures. C'est vrai, c'est un domaine, c'est le droit économique, et culturel c'est des droits programmatifs. L'État n'est pas euh, obligé de, en tant que tel, ça veut dire qu'il n'y a pas une, seule échelle de mesures. Mais l'État doit prendre en fonction de ses, de ses moyens. C'est ça qu'on appelle le droit programmatif. Donc, c'est pour dire que l'État ne met pas en œuvre la convention, une seule est de, ratifier la convention et une autre année de mettre sa mise en œuvre à l'interne. Vraiment, c'est là où le bas blesse. Nous constatons que malgré toute la ratification, il y a des faiblesses. Il y Je pense qu'il y, a un travail à faire et nous allons revenir à ça. Il y a un travail de fond que nous, sommes en train de faire en tant qu'organisation de la société civile. Je pense que c'est un domaine Vraiment, pour parler plus sérieusement, c'est un domaine qui est délaissé. Aujourd'hui, hormis certaines, juste pour juste une hormis certaines structures de défense des droits de l'homme au, niveau international, au niveau national, ajouté au, travail des partenaires BIT, Plan International Niger, euh, autre que sais encore, hein, UNICEF. UNICEF, voilà. Donc, servent des Children, hormis ces structures qui font un travail colossal au, niveau international, moi je pense qu'à l'interne, c'est un domaine qui est délaissé. Les gens pensent qu'il y a d'autres terrains plus propices pour mener leur activité, mais vraiment, une prise de conscience doit s'imposer au niveau national. Maître au niveau de votre euh, structure euh, ADEP F Espoir, avez-vous identifié d'autres causes liées à ce phénomène de travail des enfants dans les endroits dangereux Merci de m'avoir donné cette opportunité au nom de notre structure. Euh, effectivement, au niveau de notre structure, on est en train de discuter de plusieurs questions principalement liées à l'enfant et à la femme. relativement à cette question des enfants, nous sommes en train d'examiner et de répertorier les différents cas qui se présentent au niveau des régions pour voir comment apporter des contributions pour pouvoir améliorer. C'est ainsi que moi je connais déjà Koma et on a eu l'occasion de visiter Koma ça ne fait pas longtemps dans le cadre d'un regroupement familial. Donc euh, ce qui se passe là-bas relativement aux enfants, c'est déplorable il est vrai, c'est une pratique en tout cas qu'on ne peut pas indexer de manière exhaustive la responsabilité de X, Y ou Z. Mais ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, la pauvreté est un facteur. Les défauts de responsabilité de certains parents contribuent également. Et aussi le défaut de sensibilisation. Mais surtout, il faut indexer des doigts l'État de Niger, notre pays. Parce que rien ne peut se faire sans autorisation de l'État. Toute cette anarchie qui règne là-bas, c'est lié au fait du désordre. Il n'y a pas une structure régulièrement arrêtée. Il n'y a pas de personnes identifiées. Il n'y a pas de traitement adéquat. On ne sait pas cet enfant et c'est l'enfant de qui, l'enfant de qui, l'enfant de qui. C'est l'anarchie qui règne. Des personnes meurent jour en jour, sans contrôle, sans dénonciation, sans rien. Et ça continue et ça va continuer si jamais l'État ne fait pas quelque chose. C'est pourquoi nous, nous avons estimé que nous allons faire des propositions dans ce sens, particulièrement pour Koma Bango, pour que l'État puisse euh, attribuer cette exploitation à une structure responsable, internationale et qui dispose des moyens, des technologies de bord pour pouvoir exploiter cela. Les enfants peuvent y participer. Certes, mais à un certain degré d'exploitation. Pour quand même des trucs de profondeur, de creusage et autres, dans des trous de profondeur de plus de 10, 20, 30 mètres, envoyer un enfant, je pense qu'on met en danger notre conscience, on met en danger notre pays et notre responsabilité. Parce que l'enfant, ce n'est pas pour ses parents, c'est pour l'État d'abord. Maître, sans vous couper, en dehors du travail des enfants, il y a aussi la prostitution qui gagne du terrain là-bas tout à fait. Il y a exactement la prostitution qui gagne du terrain. Et ça, on est en train de faire un travail. Je ne veux pas dévoiler le secret tout de suite, mais c'est un facteur très, très, très, très décevant parce que c'est exactement la raison qui nous a amenés là-bas sur le terrain pour constater cet état d'effet parce qu'il y avait une fille effectivement qui a été enceinte là-bas. Au fait, elle avait disparu pratiquement il y a plus d'un an de cela. Les parents ont cherché partout, l'ont pas trouvé. Elle a élu domicile là-bas. Et à notre grande surprise, on a constaté qu'elle a un enfant hors mariage et elle continue aussi à faire ces pratiques-là, sans mari, sans copain fixe, sans rien. Et c'est vraiment un comportement qui nous a beaucoup attirés. En euh, dépit de toutes ces maladies qui prolifèrent. Toutes ces maladies. Elle est présentement malade d'ailleurs et heureusement, euh, le frère qui était avec nous a pu la rapatrier euh, en ville. Elle est en train de suivre présentement des soins et des traitements. On attend des déclarations de sa part pour qu'elle nous dise davantage, elle qui a vécu là-bas plus d'un an, jour pour jour, heure pour heure, ce qui en est vraiment la réalité. Parce que sur place, on ne vous dévoilera jamais la réalité. On masque toujours les choses pour éviter à ce qu'on entreprenne des réformes en vue de stopper cette anarchie. C'est dans ça qu'ils gagnent leur vie. Maître, vous étiez sur euh, le site du de Bangou. Selon vous, quelles sont les tranches d'âge des enfants concernés ou les plus exposés dans les mines artisanales et les carrières les trans d'âge varient. Il y a 7 ans, il y a 8 ans, il y a 10 ans, en tout cas de toutes sortes, parce que c'est comme une famille. On voit des enfants de très bas âge qui participent, des adultes, des jeunes, des adolescents, en tout cas de toutes catégories. Mais c'est les enfants qui sont plus nombreux. Ça, on l'a constaté effectivement. Mais je crois que cette situation des enfants se justifie également par la présence de plusieurs familles là-bas. Il y a beaucoup de familles qui évoluent là-bas, ils se développent là-bas, et du coup, les enfants ne peuvent pas rester les bras croisés pendant que leurs parents sont en train de Donc, c'est vraiment tout ça le synonyme de la pauvreté. J'avais participé à une formation au Mali relativement aux industries extractives. Il y avait une société multinationale américaine qui exploitait une carrière pendant des années. Et c'était l'année passée que l'exploitation avait pris fin il y avait des tas de trous qui sont là. Et la question s'était de poser comment aménager cet endroit qui est devenu finalement un endroit inexploitable. On les a imposés à creuser des piscines pour faire euh, des piscicultures, pour faire euh, exploiter du poisson dedans. Et je vous assure, l'endroit, c'est mieux que les États-Unis aujourd'hui ça se développe, la pisciculture là-bas. Et les gens ont repris encore, après l'exploitation des carrières, maintenant c'est l'exploitation des piscicultures. Ils sont accompagnés et la plupart des Maliens s'approvisionnent là-bas. Et je pense que c'est ce à quoi notre État doit penser. Et c'est ce qu'il faut pour permettre en tout cas aux gens de se retrouver et de bénéficier de cette richesse nationale qui malheureusement est en train de détruire. Maître Marou quelles sont les autres difficultés ou obstacles constatés à l'atteinte des résultats attendus La lutte contre le travail des enfants. Voilà, l'obstacle principal, c'est que nous savons que nous avons notre code de travail qui limite euh, l'âge de travail à 14 ans. En deçà de 14 ans, l'enfant ne doit pas travailler. Et ce texte a été tiré de plusieurs textes internationaux signés par notre pays. Le problème, c'est le problème de suivi. Si un texte est édicté à l'échelle internationale, il doit y avoir un système de contrôle adéquat qui va suivre l'exécution ou l'accompagnement de ces texte au niveau de chaque État. C'est de ça qu'il s'agit. Un texte, tant qu'il n'est pas contrôlé dans son application, ne sert à rien. Ce n'est pas un texte, c'est juste de l'écriture. Vous perdez de l'encre et ça ne sert à rien. Et c'est de ça qu'on parle. Et c'est ce à quoi nous sommes victimes aujourd'hui. C'est C'est un problème de suivi, de contrôle et les gens ne se soucient pas de l'avenir des autres enfants, oubliant que tous les enfants sont des Nigériens, tous les enfants appartiennent à la nation et que les responsables ont la responsabilité morale de les suivre et de faire allusion au gouvernement nigérien. allusion au gouvernement nigérien et aussi aux organismes internationaux qui édictent c'est ça, c'est là, parce que c'est eux qui orientent les États vers une protection des enfants. Sinon, avant, cette rigueur n'existait pas. Vous allez lire le code de, euh, de travail à son article 106, vous allez constater une évolution dans la rédaction récemment, une évolution qui tend à assouplir les choses. Mais on fait une confusion. On dit que si c'est le travail de l'enfant, on parle seulement si c'est rémunéré. Ça veut dire que si ce n'est pas rémunéré, tout est permis. Malheureusement, ce n'est pas la bonne lecture et je pense qu'il faut sensibiliser dans ce sens. Abdou Malam, comment expliquez-vous le travail des enfants dans les mines artisanales et les carrières du point de vue sociologique et Tout d'abord, euh, je remercie Radio, le studio Klangou de nous avoir donné cette opportunité de participer à ce débat enrichissant et intéressant pour tous. Et j'ai remercié ceux qui sont dans le studio. J'ai suivi avec intérêt l'intervention de Hamani Asuman et Maître Oumar Moussa. le travail des enfants dans les carrières est euh, un travail qui semble être euh, quand même euh, le souci de toute la société parce qu'on remarque de nos jours des situations très déplorables de nombreux enfants travaillent dans ces carrières et dans ces, dans mines au Niger. C'était euh, peut-être l'intervention de certaines euh, ONG qui veillent un peu à ces situations-là. Aujourd'hui, on constate que vraiment euh, le travail des enfants dans les carrières devient de plus en plus grand et avec une grande inquiétude parce que la société, euh, de par sa composition, l'enfant ne doit pas suivre euh, ce qu'il est en train de suivre aujourd'hui dans ces carrières-là ou bien dans ces mines d'exploitation. Quand j'ai suivi euh, les, intervenants du studio, ils se sont apaisantis uniquement au niveau de la carrière de Coma Bangou, sans oublier ce qui a amené la fermeture du Jadot et les carrières dans les différentes régions et dans les communes. Tout cela euh, suppose qu'aujourd'hui, nombreux sont des enfants qui travaillent de façon euh, négative aussi au vu de la société. Alors que l'enfant euh, issu de l'union entre l'homme et la femme peut quand même avoir une affection qui va l'épargner de certaines tâches dégradantes comme celle-ci que nous venons de découvrir à travers les exposés de, de ces camarades, ces collègues-là, qui sont dans les studios. La société euh, a, laissé une, donne une place prépondérante à l'enfant. L'enfant apprend à tous. Quand l'enfant fait face à des problèmes, c'est la société toute entière qui doit concourir à lui apporter son secours. Mais avec euh, ce travail qu'on constate dans les carrières, on peut dire aujourd'hui la, la société a dérogé un temps soit peu de sa mission de protection de l'enfant. Et au-delà, on peut dire aujourd'hui, euh, même euh, l'appareil étatique qui doit aussi travailler avec un certain nombre de textes juridiques qui protègent l'enfant dans son ensemble, bien dans son entité, ne sont pas prises en considération. Aujourd'hui, nombreux sont des enfants qui meurent dans ces travaux pénibles dans ces tâches euh, dégradantes parce que vous n'êtes pas sans savoir, quand je prends l'exemple ici dans la région de Maradi, nous avons des carrières où ce sont des enfants de 6, 7 ans, 8 ans qui partent prendre des roches ou qui partent prendre de l'argile ou du sable pour charger des véhicules vaines. Et cela, comme je l'ai dit, n'est pas sans conséquence. Ils font face à des à des maladies et deux fois même à des, pertes en vie humaine. Et là, c'est la responsabilité de nous tous, comme étant la famille, qui est euh, la première responsable devant l'enfant, et à côté de la famille, l'État, l'État à travers une réglementation de ceux qui doivent quand même travailler dans ces carrières sans les enfants, parce que j'ai suivi, eh, il y a à Koma des enfants de 7, 8, 9, 10 qui travaillent dans ces mines-là, Ce n'est pas normal. Le code de travail, quand il a été eh, institué, c'est par rapport à des jeunes qui sont en mesure de travailler dans ces carrières, mais aujourd'hui, eh, il est un secret pour personne. On voit des enfants de 5, 6 ils sont exploités. Au lieu de parler même du travail, c'est leur exploitation, car ils ont des tuteurs, ils sont, ils à côté d'eux des adultes pour qui ils travaillent et sans aucune protection juridique, sans pour, sans pour autant parler de la prise en charge du point de vue santé, car cela n'est pas sans conséquence. Abdou Malam, quels sont les risques auxquels ces enfants sont exposés Les risques sont, sont multiples. Il y a les maladies, les, blessures, la dépravation des mœurs, parce que c'est un milieu à haut risque. Il y a la prostitution, et il, y a, aussi les pertes en vie humaine de ces enfants-là, parce que c'est des milieux où les règles ne sont pas respectées, où c'est des fois dans des, conditions très pénibles que ces enfants-là exercent de façon maladroite ces, travaux-là. Abdoudamal, qu'est-ce que l'État et ses partenaires peuvent faire pour euh, lutter contre euh, ou réduire euh, ce travail des enfants dans ces endroits dangereux Dans ces endroits, l'État doit d'abord réglementer le code de travail. Il faut que la réglementation règne pour que ce genre de travail ne, ne concerne pas les enfants. Parce que là aussi, il faut aller vers euh, la définition de l'enfant qui est considéré comme enfant qui doit être épargné de cette tâche dégradante. Ça, c'est la responsabilité de l'État et l'application stricte de la Constitution. Quand vous prenez au Niger, on dit la Constitution, en son article 14, on peut dire que nul ne sera soumis à la torture, à l'esclavage, ni à des services ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Mais des enfants qui se retrouvent dans ces conditions-là ou dans ces carrières-là font face à cette situation. Donc l'État doit quand même réglementer et doit mettre en application les textes qui protègent l'enfant. Quand j'ai parlé de cette réglementation, nous avions, euh, euh, docteur euh, Moussa Oumarou et Hamani Asman l'ont dit, le Niger a ratifié un certain nombre de conventions. On ne peut pas mettre à l'écart la convention du 20 novembre 1989 de l'ONU relative, la convention relative aux droits de l'enfant, celle de 2 septembre 1990 a été la rentrée en vigueur de cette convention et le Niger a ratifié pas mal de textes, internationaux qui doivent protéger les enfants, surtout en matière de ces travaux-là. Moi, je pense que l'État doit quand même réglementer la situation de travail des enfants, mais aussi la société aussi doit quand même contrecarrer, parce qu'aujourd'hui, il y a des adultes c'est au vu aussi de ces adultes-là que ces enfants-là travaillent dans des conditions difficiles. Donc, toute la société doit concourir à mettre fin au travail des enfants. Maître Maroumoussa, la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989 ratifiée par 192 pays oblige euh, ces États à protéger les enfants contre toute forme de travail. Au Niger, le travail des enfants est-il réglementé oui, le travail des enfants, est bien réglementé. Il y a des textes parce que la loi fixe d'abord la limite d'âge, c'est-à-dire euh, c'est à partir de 14 ans que l'enfant doit commencer à travailler. En deçà de 14 ans, ça que l'enfant ne doit pas travailler, sauf dans certains cas qui n'est pas dans les mines c'est-à-dire euh, suivre, parce que la jurisprudence a invoqué le cas de l'enfant qui part au champ avec son père, il part au jardin avec euh, ses, sa papa, au pâturage avec les animaux, tout ça. En deçà de 14 ans, l'enfant peut le faire. Il n'y a pas de problème parce que ce n'est pas menaçant, ce n'est pas dégradant, ça ne porte pas atteinte à l'épanouissement de l'enfant. Au contraire, ça contribue. Mais à la formation. À la formation, exactement, parce que c'est la relève qui se prépare. Maintenant, au-delà de 14 ans, c'est le cas qui est réservé au travail vraiment pénible qui peut avoir des conséquences directes et immédiates. Le concassage la euh, santé, des pierres, des, granites et aussi des creusages de trous dans certaines conditions avec euh, une poussière à, Je pense que cela doit être réglementé. Et surtout, la plupart ne portent pas de masque. Là-bas, vous allez constater, c'est vraiment avec une résistance de santé farouche. Et c'est pourquoi, généralement, si tombes malade, la plupart décèdent. Maître Morumoussa, des sanctions sont-elles prévues pour tout celui qui soumet un enfant à un quelconque travail nuisible pour lui Malheureusement, c'est ça qui fait défaut. Si on parle de code de travail, on parle plus des orientations qu'on donne. Les orientations, c'est que les entreprises doivent considérer comme enfant et non un enfant pour telle ou telle autre tâche. Il n'y a pas de suivi. On ne suit pas dans les sociétés même, et du moins c'est dans les structures, au niveau urbain même, suivi là fait défaut parce que vous allez constater des enfants, même ici, font des tâches pour lesquelles ils ne sont pas prévus. Pourtant, on le voit de jour en jour que cela est constaté par la société, par les autorités, mais personne ne dénonce. Et même si on dénonce, les gens ne s'en préoccupent pas du tout de cette situation. Le problème, c'est l'organe compétent, un organe compétent, adéquat, qui veille jour et nuit sur l'application de cette taxe, c'est ce qui fait défaut. Et où ceux qui ont été chargés de cette mission ne donnent pas à la mission son intérêt. C'est de ça qu'il s'agit, parce que c'est une question de responsabilité. Il ne faut pas avoir un diplôme seulement ou être âgé pour qu'on place telle personne à à tel poste. Non, il faut chercher la personne dans son cœur, dans son âme, dans son cursus, pour savoir s'il est apte à exercer cette mission ou non. C'est en cela seulement les personnes peuvent s'intéresser. Et c'est pourquoi on parle déjà des ONG. C'est une volonté de création. Et on fixe nous-mêmes nos objectifs dans tel ou tel domaine. Ça veut dire qu'on a un intérêt particulier à faire évoluer certains manquements de la société. Et vous aussi, vous contribuez à cela en diffusant, en bien sûr, les médias, en faisant tout cela, vous participez à leur sensibilisation et ça concourt pour faire atténuer ces genres de pratiques. C'est très important. La sanction dont euh, le docteur a relevé, le sociologue a relevé tout à l'heure, la fermeture de certaines mines, c'est une sanction extrême, très extrême, parce qu'il y a des conséquences toujours, parfois plus fâcheuses. Donc c'est pourquoi nous, dans notre jargon, au fait, on a eu un cas dans le traitement, ça n'a pas été fait ici, c'était toujours au Mali. C'était un cas qu'on avait suivi de trop près. Et ils ont suivi la sensibilisation de manière chronique. chronique. D'abord, ils ont commencé par la dénonciation des comportements sur le terrain. Et cela a été fait par certaines populations et aussi principalement par des ONG. Après cette dénonciation, ils sont partis vers la sensibilisation. Ces mêmes ONG qui ont détecté et décelé le problème sont retournés sur le terrain pour sensibiliser les enfants, les parents et tous ceux qui y participent de près ou de loin. Cette sensibilisation a donné, mais ça n'a pas permis d'atténuer ou de faire terminer karma la chose. Ils ont poursuivi en créant des écoles autour de ces industries extractives avec des internats, ce qui pousse l'enfant à avoir un choix, soit à aller dans les industries, ou d'être à l'école avec de l'internat. Et ça, il faut les moyens, il faut de l'accompagnement et il faut de la responsabilité. Et finalement, tous les enfants qui sont âgés même de plus de 14 ans se sont vus inscrits et ils participent à l'éducation régulièrement parce que le travail forcé, comme on le dit, entre guillemets, n'est pas moderne. n'est pas le choix de l'enfant, c'est une contrainte. L'enfant est contraint à ça. S'il y a une solution alternative, personne n'ira vers ça. Et au fur et à mesure, et quand cela a tenu, on a estimé que ça aboutit après 90%. Mais il y a toujours des personnes qui résistent à cela. Et c'est pourquoi les zones qui ont été identifiées dans ce sens ont été fermées et on les a orientées vers les autres zones dans lesquelles la sensibilisation ou l'éducation a bien réussi. Et c'est ainsi qu'ils sont en train d'éradiquer tout cela. Mais c'est tombé finalement dans l'eau avec cette euh, question des islamistes-là c'est l'insécurité, c'est pitoyable. Maître Hamani Assouman, plusieurs ONG et associations ici au Niger, dont le Code, œuvrent pour lutter contre le travail des enfants. Comment est-ce que vous menez cette lutte et quels sont les résultats enregistrés dans ce domaine donc moi, je, pense qu'en termes de, de, solutions, c'est-à-dire en termes de, répercussions en positives sur le terrain, ce que nous faisons en tant que structure de l'évaluation générale, en tant que structure de la société civile, je pense qu'il faut, au-delà de tout ce qui s'est passé, il faut mettre l'aspect, il faut mettre euh, en tout cas en avant l'aspect préventif. C'est-à-dire il faut pas, euh, c'est un travail comme l'autre l'a dit tout à l'heure, l'a dit tout à l'heure. Moi, je pense que c'est un travail qui, c'est un domaine qui, qui, qui devient de plus en plus complexe. Aujourd'hui, d'aucuns parlent même de, de ce qu'on appelle la traite des personnes. C'est vrai, il y a une ordonnance qui a été prise au Niger en la matière la traite des personnes, il y a un volet typique, un volet qui concerne la, la traite des enfants notamment la prostitution des enfants, le travail, l'exploitation des enfants de les, les mines, les mines artisanales. Le travail des jeunes, le filles, travail domestiques. Des jeunes domestiques, hein. quel que soit les genres. Moi, je pense que c'est ça aussi, c'est ça qu'on appelle. Aujourd'hui, le travail devient de plus le, le phénomène prend de l'ampleur. Avec l'insécurité, comme je le disais tantôt, ça, se ça, complique davantage. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça s'assimile, certains spécialistes l'assimilent même à la, la traite des personnes. C'est pour dire qu'en tant qu'ONG de défense des droits de l'homme, on a des défis. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les choses se compliquent davantage, nous aussi, c'est des défis énormes pour nous. Le travail ne, ne on pas il ne faut pas qu'on se contente seulement à faire l'aspect, à prendre de façon classique pour dire que non, non, il faut des moyens, il faut. Non, non, moi je pense qu'il faut, d'abord comprendre le phénomène. Et ce que nous nous attelons à faire. La traite des personnes, là, aujourd'hui, c'est un thème qui prend de l'ampleur avec l'insécurité, comme je le disais tantôt, et il faut comprendre de quoi il s'agit on ne peut pas se jeter à l'eau pour dire que non, non c'est juste la. c'est vrai, ce que maître, maître, vient de dire, je suis d'accord avec lui, il faut aller sur le terrain pour voir des visites mais le phénomène est plus, est plus compliqué qu'on le pense. Donc c'est pour cela que je pense que, comme on l'a vu tout à l'heure, l'état du lieu n'est pas du tout religieux. Il faut s'y atteler à faire un travail en profondeur d'abord connaître le phénomène, ces différentes ramifications, puisque c'est un, un, qui euh, c'est vraiment, surtout dans la sous-région, c'est un crime, il y a même la traite des personnes euh, inter, inter euh, c'est-à-dire de, de les frontières, au, niveau des différents États, ça prend de l'ampleur, je pense qu'il faut travailler. Entre, dire... entre, le Niger et le Burkina, entre le Niger et le Mali Oui, même dans certains pays côtiers. Donc on, sait ce qui se passe, il y a beaucoup d'enfants qui comprennent ici et qui, chose, quoi, qui passe par les mailles de la, de la police ou autre au niveau des frontières et qui, qui atterrissent dans les, plantations de certains pays, de, de certains pays de la sous-région. Je pense que c'est des choses, c'est des choses sur lesquelles nous euh, que nous sommes devons mettre l'accent. nous devons continuer, nous devons continuer à creuser en profondeur, comme je le disais tantôt. Ce n'est pas un travail du tout facile. Hein. Euh, oui, maître, il y a de cela plusieurs années que le Code et plusieurs structures se sont impliquées dans le cadre de la lutte contre euh, le travail et des enfants. Avez-vous aujourd'hui le sentiment que votre lutte apporte ses fruits Bon, on ne peut pas se jeter de fleurs, mais je pense que quelque chose a été fait. Nous pensons que chaque fois qu'il y a des réformes, nous travaillons à ce qu'il y ait des réformes puisque c'est la loi qui protège avant tout, hein, pour qu'il y ait d'abord la protection que nous, nous, chaque fois nous gargarisons là, il faut d'abord qu'il y ait une loi. L'ancrage juridique est important. Donc il faut qu'il y ait une loi, c'est la seule la loi protège. Donc c'est pour cela, chaque fois qu'il y a des... Il faut aussi des actions de l'État. il faut que ce soit des actions de l'État. C'est-à-dire la loi d'abord, c'est ça le plus important, maintenant la mise en œuvre. Et c'est ce à quoi nous attendons chaque jour. Nous cherchons à savoir ce que d'abord, chaque fois qu'il y a des choses, nous travaillons pour qu'il y ait des réformes. Nous poussons l'État nous faisons tout pour qu'il y ait des réformes et des politiques publiques. Il y a des textes réglementaires d'abord qui ont été pris, puisque c'est plus facile de prendre un texte réglementaire qu'un texte législatif. Il y a des textes réglementaires qui, sont chaque fois, c'est plus facile de les choses, quoi. C'est-à-dire de faire des réformes en la matière. Nous faisons tout pour, pour, euh, euh, en tout cas, pour pousser l'État à prendre des, euh, mesures dans ce sens pour dire à tel niveau, voilà les textes qui, voilà les matières, disons les domaines qui relèvent des, des pires formes de travail. C'est déjà important et d'abord ensuite prendre les dispositions qu'il faille prendre les dispositions qu'il faille qui s'imposent pour que l'État puisse euh, en tout cas euh, mettre fin à ces, différentes choses quoi, à ces différents types de travail sur le terrain mieux, c'est que quelque part, nous faisons tout au niveau, international. Nous avons eu à, suivre au niveau des rapports périodiques qui sont faits par l'État au niveau de Genève. La dernière fois, il y avait à peu près un mois de, cela, j'étais à Genève, dans les cadres des choses quoi, pour la mise en œuvre, puisque l'État, quand il pas une convention de façon souveraine, je le disais tantôt, l'État doit, conséquemment, c'est la conséquence juridique, c'est que l'État doit faire des rapports périodiques pour dire voilà la mise en œuvre de ce, que, que j'ai eu à faire au niveau de cette convention-là la mise en œuvre à l'interne. La convention, voilà ce que j'ai pris. en 1990, j'ai ratifié la convention. Chaque deux ans ou trois ans, ça dépend de la périodicité selon la convention. Et il y a un comité là-bas qui veille, un comité de droits de l'homme, qui veille au niveau de, Genève, qui veille à la, par rapport à chaque convention, en l'espèce la Convention des droits de l'enfant, il y a un comité qui veille à, la mise, à sa mise en œuvre. Et l'État de, Niger est astreint à cette obligation de fournir des rapports périodiques chaque, chaque fois qu'il y a besoin pour dire voilà, moi, ma mise en œuvre, j'ai pris des politiques publiques dans tel domaine, j'ai pris des mesures législatives, j'ai pris des mesures réglementaires. Et nous savons, nous aussi, nous avons le droit de faire, en tant qu'ONG, nous avons le droit de faire ce qu'on appelle les rapports alternatifs. Les rapports alternatifs, c'est des rapports qui, pas que contredisent, mais qui disent voilà de façon, puisque l'État ne peut pas faire un rapport avec l'État. Donc nous, en tant qu'OSCE, nous avons notre vie. Nous, prenons, nous avons notre vie d'ensemble pour dire voilà notre, notre angle d'analyse de, de, la chose, sans pour autant remettre en cause ce que l'État a dit, c'est le sujet complémentaire. Abdou Damalam, quelles sont les autres conséquences du travail des enfants pour un pays pauvre comme le Niger Mokhtar, euh, avant de revenir sur euh, les autres conséquences, euh, je pense que vous avez posé le problème et nous avions parlé des causes et au niveau des causes, beaucoup d'intervenants ont accentué la cause au niveau de la pauvreté. Je pense que la pauvreté est l'une des causes qui fait qu'aujourd'hui, eh, les enfants travaillent dans les mines et les carrières. Et à côté, il y a le manque d'emploi, le manque d'emploi des parents, parce que tant que le parent n'a pas de rémunération ou n'a pas de travail à faire, il pas fois contrôler euh, les enfants. Euh, euh, contrairement dans la société moderne, contrairement à la société traditionnelle. Maintenant, vous m'avez posé la question par rapport aux autres conséquences du travail des enfants. Et les conséquences, comme je l'ai dit, sont, nombreuses. Aujourd'hui, nous allons assister à des enfants qui seront quand même coupés du sentiment ou de l'affection parentale, parce qu'un enfant qui travaille dans les mines est toujours euh, un enfant euh, belliqueux qui est à la révolte, parce qu'il va être frustré, il va avoir des besoins qui ne seront pas satisfaits. Et cette euh, affection parentale que l'enfant a qui lui pousse à être un modèle, un prototype de la société, euh, va disparaître et laisser place à ce comportement de prostitution, à ce, comportement des gangs, de, tout ce que nous avons comme violation aux règles sociales aujourd'hui. C'est pourquoi euh, on voit bien que nos sociétés sont toujours euh, confrontées à des problèmes d'insécurité. Et c'est l'une des causes. Si l'enfant travaille dans les mines ou bien dans les carrières, après un âge, soit après l'âge adulte, il va tenter de se révolter, de quitter ce travail salissant, dégradant, pour rejoindre encore un autre milieu plus hostile parce qu'il n'a aucune affection, il n'a aucune pitié. Vous faites allusion à la criminalité. Oui, et la criminalité sera grandissante. C'est vraiment une autre euh, conséquence du travail des enfants. Et au-delà aussi, comme je dit, il va arriver à un moment où la société telle qu'elle la connaissait hier va devenir une société très jeune, mais, mais moins intelligente, parce qu'il y aura une crise, une crise d'intellectuel. Si les enfants, au lieu d'aller aller à l'école, sont dans des carrières, moi je pense que quelque part, le volet éducation est un peu freiné et, et ça va développer euh, un retard du point de vue euh, social. À côté de ça, je pense que euh, même les ONG et associations qui interviennent aux côtés des enfants savent pertinemment que si, comme on a de dire, ou bien comme disait le poète anglais Wordsworth, l'enfant est le père de l'homme, s'il n'est pas considéré comme parent, comme origine, son absence ou bien son manque de formation peut être un obstacle au développement social d'une manière générale. Maître Marou Moussa, comment rectifier le tir rapidement en 10 secondes Rectifier le tir, c'est beaucoup. C'est difficile parce qu'on n'a pas l'arme, on n'a pas les cartouches. C'est l'État qui les détient. Donc la meilleure façon de, le, de rectifier c'est vraiment de continuer la sensibilisation, de continuer encore la sensibilisation et de faire appel aux personnes porteurs des moyens pour pouvoir trouver des solutions alternatives pour sauver les enfants. Maître, rapidement. Ah, merci Mokhtar. Moi, je pense que euh, à court terme, parce qu'à long terme, c'est comme Maître l'a dit, ça relève de l'État, mais à court terme, il y a des mesures qui s'imposent. Les mesures à court terme, c'est l'approche participative qu'il faut privilégier. L'approche participative, c'est il y a des leaders, il faut associer les, les, communautés, les, les, leaders communautaires. Aujourd'hui, c'est la qualité, il faut mettre l'accent sur la qualité. Un seul enfant bien éduqué peut faire, la, en tout cas, peut sauver tout un pays ou toute une région, toute une localité. Abdou Lama, rapidement, en 10 secondes, comment rectifier le tir rectifier le tir, il faut vaincre la pauvreté. Il faut vaincre la pauvreté sur toutes ses formes. C'est ça qui va permettre aux parents de se sentir à l'aise et de s'occuper à leurs enfants. La lutte contre le travail des enfants est l'un des défis majeurs qui accompagnent l'Afrique dans ce troisième millénaire. La persistance des crises socio-économiques, les insuffisances des services de base et les mutations socio-familiales constituent les principaux sous-bassements de ce phénomène. Le travail économique des enfants est une problématique à examiner de manière constante et approfondie. Nous sommes au terme de ce forum de studio Kalangou nous avons eu le plaisir de recevoir Maître Hamani Assouman du collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie CODE, Maître Marou Moussa, avocat à la Cour et chargé du droit et des plaidoiries de l'Association de défense et de protection des femmes et des enfants ADEP F Espoir et au téléphone Abdou Damalam, sociologue. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme Dissidio Kalangu qui vous parviennent grâce à nos 41 radios partenaires. Merci, au revoir.